Assis devant la porte du bâtiment A du campus, un délégué des étudiants enregistre les filles qui viennent chercher leurs affaires. Depuis lundi, selon lui, près de 200 étudiantes sont venues récupérer les bagages. Ils racontent. Oh, on est là pour contrôler les va-et-vient des camarades. Ils étaient là depuis pour récupérer leurs bagages afin de quitter l'université. Le DG de il a dit aux camarades de venir récupérer leurs bagages et nous sommes là à leur disposition. Les filles viennent, ils amènent leurs cartes. À travers leurs cartes, on voit si leurs noms sont figurés et ils rentrent ils prennent leur bagage et ils sortent. On ne fouille pas. On est là jusqu'à 17h. Il y a d'autres qui vont venir nous relever. À l'intérieur du bâtiment, dans la chambre A8, Aïcha et Zouéra rangent valises, documents et tasses. Il ne doit rien rester. Aïcha, après la fermeture de la zone universitaire, a trouvé refuge chez son grand frère au quartier Madina, situé à une dizaine de kilomètres du campus universitaire en plein centre-ville côté rive gauche. Je me suis réfugié chez un grand frère. Vraiment, on ne peut pas vivre dans un couple très jeune. Donc, on est obligé de rentrer à la maison. À comme la situation va de mal en pire. on n'a aucun espoir. On a fermé la cité. Où est-ce qu'on va vivre Vous voyez c'est pas facile. Surtout, il y a des camarades qui n'ont même pas de famille à Niamey. Donc on est obligé de rentrer. On n'a pas le choses. C'est pour aller à la maison, à Gaïa. Cette situation, elle est vraiment chaotique. Si on a fermé le campus, c'est comme si on a fermé la fac en tant que telle. Il y a des personnes qui logent sur la cité. Donc s'ils n'arrivent pas à trouver un logement, comment est-ce qu'ils veulent étudier C'est pas possible. Un campus universitaire désert, des salles de classe vides. Après les violents affrontements de lundi matin, c'est le quo à l'université Moumouni de Niamey. Les autorités rectorales et celles du ministère de l'enseignement supérieur que nous avons tenté de joindre n'ont pas souhaité réagir. Abibou Garba, Studio Kalangou.